Euh, région bu euh, Dagana euh, mi département bu Dagana autant que pour moi mi ngi si amna itam am na li nga que modi département fa nga xam ne itam Saint-Louis Dagana amna na li nga xamné que modi inscrits pour aussi amna 237 119 inscrits Saint-Louis aussi en Saint-Louis département ce pour amna na cent inscrits région bi nak moy région bu Saint-Louis amna

Euh, indi neen benn indice boo xam ne itam koy daal nattee ñu daal leen koy transmettre ñom journalistes yi ni suñu xol région bi à 75% quinze pour cent daal di voter ki nga xamné que Diomaye Faye. wa mais c'est c'est discutable parce que euh, man je veux pas aller si lo xamanteni peut-être euh, des chiffres ou des données yo xamni maîtriser wu ma mm, mm. Bah, je préfère être très prudent. sur certaines questions mm. parce que ku nekk mën nga am ces chiffres bop nga tek ko parce que déjà y a la région de Saint-Louis. Mm. région de Saint. Mm. louis mm. c'est 563 640. est ce que région la la département de Saint-Louis ça aussi c'est une autre question. parce que la région de Saint-Louis euh, Podor ci la donc euh, Yagni affiché à Podor tu as 237 mm. 000. Mm. Dagana tu as 150 000. Saint-Louis mm. département mm-hmm. euh, tu as 176 366. est-ce qu'il parle du département de Saint-Louis ou de la région de Saint-Louis parce que dans la région de Saint-Louis, on a euh, le département de Podor, qui a toujours été peut-être un fief ah. du, régime en place. on, va, Nedoko Bandoum, etc. Mais est-ce que Taïm, as Pastef a pu décrocher Fofo Donc pour moi, euh, am na fu ñuy toll ku informations. Mm. di nga information maintenant mm. la vérité des chiffres mm. li muy traduire mooy sur ces électeurs électeurs. bi parce que pour moi, euh, ni ni mënoo wax tendance te eggagoo peut-être di nga am une lecture gis ni ñaari candidat génn nañ mais quant à la certitude pour mën a toog fii man euh, kéegooma foofu daal comprendre donc maintenant tey on sait que sur la carte électorale du Sénégal dafa am ay zones qui xamante ni ñoom ñoo gën Mm. donc le par exemple euh, la région de Dakar c'est un million 829 mm. électeurs. Mm. Thiès vient avec un million 33 hmm, 310 euh, électeurs. Après, tu as Djourbel qui vient en troisième avec 635 793. Donc, euh, après Saint-Louis, après Louga, euh, Ziguinchor, euh, 308 000, c'est donc il y région yoo xam qui fa la mm. électorat bi gën a. Mm. Mm. Euh, région de Dakar. région de Thiès Djourbel, mooy Mbacké Touba etc. après Saint-Louis donc y région une donc c'est discutable donc quand vous êtes, mun nga toog parce que man maa pas doon ay sondage parce que vous nekk da ngay defar sondage. est-ce que ban cabinet fait defar sondage donc l'autre aussi euh, man mënuma ci sori voilà.

alors surtout donc euh, euh, ni ñëwaat si euh, Arfan dans quelques 500 cents donc mu nekk lo xamni tam c'est important pour nda si war mëna mën xel parce que fu mu toll ni lépp war li nga xam que modi, di yem pour nda di war mëna démé ci si li nga xam que modi élection yi en toute transparence exactement mais surtout aussi li nga xam que modi la présence si li nga xam que modi représentant des des autres coalitions malgré des fois donc nga ko matale am fépp li nga xam que modi représentant lool c'est moins de l'État oui mais non mais cest là euh, dans une élection c'est tout un processus. Hmm. processus bi a commencé. ouverture de liste inscription hmm. fi nga vote bi ba fi nga euh, fi la nous avons ñuy tribunal au niveau départemental après nous avons des tribunaux tribunal cour d'appel donc c'est tout un processus. Mm. maintenant comme vous nga wax quand vous bu avez war nga représentants. Mm-hmm. d'abord ces représentants war nga leen mm. processus électoral. Mm. ci code électoral ci ban comportement la am bureau de vote ensuite pour moi, nous avons représentants, représentant. en mm-hmm. fonction de la représentativité mm-hmm. parce que tay un candidat comme Bassirou Diomaye Faye du hmm. ñakul am ci bureau de vote bu nek Sénégal am ku ko fay togal loolu ko fay toogal hmm. APR dina ko am hmm. yenen candidat mais le plus important mooy ci bureau de vote bi opposition bi même su amé 3 wala 4 représentants c'est c'est déjà pas mal donc lolu euh, bokku na si ñi nga xamante ñom ñoo fay nekk bët nekk fa nopp nek fa lamiñu candidat bi nga xamni mom moom moo fa nekk après nag euh, euh, lool rek bokk gaz transparence mm. Mm. ensuite le représentant de la Sénat. Mm. dina bureau de vote bi. Euh, bureau de vote bi dina un président ak ay assesseurs. mais ñi nga sax euh, alors bu baax baax baax di la ziar yaa ngi fa exactement. alors toll lan sentiment si askan wi à la veille justement du vote. Alors, avant. alors il waaw a un texte en Sénégal TV exactement ni en justement de cette euh, élection Fumtoni, Tolni, lan il li que ce sentiment askan wi nga a que alors c'est une fois fille mena sentiment de de stress hmm. donc euh, sentiment de stress moi am les gens s'interrogent sur le lendemain de ces élections, surtout la journée de demain, c'est au centre de tous les débats. donc donc il faut que les gens sortent massivement et aller voter. et donc surtout le suspense qui va gagner ces élections c'est le maître mot ici à ces élections, mais ce qui est sûr et

ok exactement donc ni fa voilà, Seigne Farlo, dans mon il y a euh, un sentiment de tristesse, mm. donc euh, de, de, de, stress, hein, de stress, vous allez dire, parce mm. que euh, les gens s'interrogent sur les élections de demain, mm. hein, donc des interrogations, des inquiétudes, même si les jeunes sont quasiment rassurants, ni que fille à c'est Ousmane Sonko qui va remporter les élections. maintenant, l'inquiétude, c'est dans les autres régions, mais les jeunes, ce qui est sûr, eux, ils, ils disent ici, à Zigansor, le le débat est clos et l'affaire est déjà réglée. Hein, même si euh, voilà, ça laisse avoir aussi l'autre euh, côté de l'extrémisme gauche, moi, euh, le régime en place, le camp de Amadouba, eux mm. aussi, ils croient, que, croient pouvoir gagner les élections ici à Ziguinchor mm. aussi et aussi dans mm. les environnements donc euh, ñàkkul parce que euh, moi j'ai fait aussi euh, le boulouf j'ai fait aussi le kalounaï et aussi j'ai fait le phonie j'ai fait le pour constater hein, que de l'enthousiasme de, de, ces élections, tout là où tu parles, c'est euh, président, c'est la coalition Djomai président qui domine quasiment ici hmm. au centre-sud hein, du pays alors c'est clair euh, par rapport aussi à les nga xam dit, le matériel dans les bureaux de vote est ce que les a... Voilà, tout à fait, c'est Le matériel est déjà en place. Donc, euh, les gens vont euh, pouvoir voter de librement et mm. donc euh, correctement, comme mm. on le dit. Hein, tout le matériel a été assimilé, a été déjà installé sur, place. Mm. Donc, les, bureaux, les bureaux de vote ont été départis. Hein, donc, il reste maintenant aux citoyens de, venir remplir leur devoir, mais maintenant, le devoir de vote, de, de sortir massivement pour voter mais euh, tout ce qui en est du matériel, tout est quasiment bouclé, tout est quasiment assimilé. Hmm. Hein. donc assimilé euh, vers les centres de vote, hein. donc euh, ici à Zigazor et aussi dans les environnements, dans les localités comme euh, Bignona, donc Oussoui. Hein. donc tout a été mis en, place. Donc il reste maintenant aux citoyens de sortir massivement et d'aller voter Seigne hmm. Alors, pièce d'identité, euh, Minu Minu, arrête exactement la récupération. Est-ce ko aussi senti na si benn masse bu pour dem jeli sen ay pièces d'identité à la veille justement de la présentielle oui, effectivement, ici à sur euh, le centre de délivrance donc des cartes d'identité, on a vu le matin, aujourd'hui, ce matin, même jusqu'à euh, vers 17h, euh, 18h, on a vu des jeunes donc et des femmes, mm. hein, surtout la classe jeune. On a vu cette classe-là aller récupérer leur carte de lecteur combinée et carte d'identité nationale. Donc pour te dire que donc ici à Sort, l'effervescence est là. On a vu des jeunes Senfalo aller récupérer massivement donc euh, seen carte d'identité hmm. ou bien carte d'électeur ah hein. nous moom euh, ni que hein, ici la majorité donc euh, des votants ont déjà récupéré leur carte. Hmm. alors merci beaucoup Enfin, les les en repérage c'est quand même tout le plus bees baisser, nous revenir parce qu'il y que le boo xam Donc donc va y bàyyi xel élection merci beaucoup alors bonne couverture encore une fois on se retrouve peut-être dans quelques instants Inch'Allah. merci. ok merci seen Fallou maa leen di jaajëfal ngi jaajëfal tamit ñi nga nekkalu foofu. Ah. donc euh, voilà. merci Arfan. du ñu waa waa Ziguinchor

278 Bignona département bu euh, li région du Ziguinchor 140 315 euh, centre de vote 189 bureau de vote 340 aussi aussi euh, électeurs 33 287 centre de vote 40